naataango yu nek Pikine formuler demande bi ñu réunion ci ñun les quatre présidents de la région de Dakar pour def tournée ak euh, euh, les services du ministère de la jeunesse pour ñu mëna xam li ñi def pour ñun lan mo ci nek ak ñun lan mo ci suñu taxaway ak ndaw ñi nga xam ne bëgg na ci bok fan la wara mëna jaar ba bu ci mëne bu ci bëggee bokk xam yan formation la war a am ban taxawaay la war a am ak fan lay jaar pour mën ci bénéficier bi ñu loolu defee nag ñu indil ñu présentation présentation boo xam ni kat ah ñun de bett nañu parce que ñun dañu jàppoon ni bi ñuy wax dak dañ yaakaaroon mbay kese la mais ndekete chaîne de valeur la boo xamante ni du mbay kese moo ci nekk transformation mi ngi ci commercialisation mi ngi ci am na également d'autres dispositifs au-delà même euh, nga liggéey fa dina permettre à beneen way góorgóorlu bu nekk ci beneen côté am foncier boppam mais tey ak méthode ak euh, méthode yi nga xam mom lañuy utiliser pour mëna mbay mu performant wala élevage bu performant dinañ mëna ñëw fofu dem fa en immersion pour que ñu renforcer leen pour ñu yok seen productivité ne serait-ce que loolu rek dina permettre jeune yi nga xamanteni tay dañu nekk dans les quartiers ñu am formation wala ki nga xam dafa nekk tay ci seen terrasse di def poulailler wala mu fay def yar xar wala mu fay def lenen wala mu fay yor ben ay taabalam di ci mbay mu am tay opportunité am suuf état du Sénégal par le biais de du DAC accompagner ko mu mën a am suuf mën a mbay ñu accompagner ko def ko logistique bépp ba nga xam ne dina mën a réussir mën a yegg niveau boo xam ne sax dina mën a ëllëg dem jëndi suufu boppam pour mën a performant kon donc opportunité boobu bu ñu ko amee duñ mën duñu sant beneen bi mooy muy wàllu ndaw taxawaayu ndaw ci penc mi wàllu taxawaayam comportement ak ni mu war a nekkee penc mi bu ñu indilee euh, euh, euh, infrastructure boo xam ne muy maison de la jeunesse buy saytu ndaw mi di ko former di ko toppatoo ba bu taxawee ci penc mi du ñu rus ni kat kii kat ndaw Sénégal la loolu dafa am solo waaye loolu nag buñ ko waxee dafa laaj ay moyens ay infrastructure yoo xamante ni ñu bëggoon xam li ñu bëgg a defal ndax ci wàllu jumtukaay ndax jumtukaay méngoo na ak suñu bëgg-bëgg fali la alhamdu loolu noonu gis nañ ni méngoo na te li nga xam ne mooy principal problème tey dans le muy muy noyade jël nañ ko en compte dina am sax des piscines pour nga xam ne xale yi dootuñ dem ci ndox mi yooyu yëpp dafa nekk au delà de yooyu mu am ay formation am ak yu bëree bëree bari donc li ci nekk xajul peut-être mënuñu expliquer mais donc daal wax dëgg yàlla suñu attente bett nañ biñ koy dégg dañu yaakaaroon comme ñi fi amoon la c'est vrai am na lu fi nekkoon mais bii c'est une continuité parce que dañoo jël en compte les nouvelles réalités intégrer ko ci biir feneen fu ñuy xaar nag mooy surtout

parce que lool moy suñu suñu suñu mission lool moy suñu rôle. waaw wax dëgg yàlla nag ci euh, ci walu ndaw ñi affaire bi yombul woon parce que ku nekk sa préoccupation ak sa localité réalité yi fa nekk indi nga ko amna ay tontu yo xamni ni wax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction mais amna na ci yoo xam dañuy continuer waxtaan bi parce que mbir yi du mun a réglatoo ci benn benn benn bés kon dañuy continuer am na loo xam ne am nañ ko am aki mais am na yoo xam ne dañuy continuer di ko topp pour que ndaw ñi mën a davantage dans d'excellentes conditions. waaw euh, loolu nak wax deug yalla diñuy profito di wax ni président de la république li nga xamne mom le ministère bëgg def muy maison de la jeunesse et de la citoyenneté nañ ñu utal suuf buñ ko def parce que dañ ko yakamti ndaw ñi dañu soxla infrastructure. benen bi moy mairie de la ville également nañ ñu utal également suuf wala espace bo xam maison des associations war nañ ko fa def parce que daf lepp lolu moy li nga xam jumtu jumtukaay yo xam mom la ndaw soxla tay pour ñu mën ko former Je nga xamante ni ndaw mi bu fa jare. bu génnee dina am beneen taxawaay ci Quand mi kon loolu waruñu koo yeexal na gaaw ñuy le président de la république na accompagner service yii muy mairie de la ville mais également le ministère de la jeunesse pour la disponibilité rapide du foncier pour que l'infrastructure nous ñu mën ko def suñu ndaw ñu mën mën ci bokk ñu formation bi ñu laaj ñu nous di wax suñu moroom conseil de jeunesse du conseil départemental du conseil communautaire. parce que solo tay bi mooy jox information pour nous donner. les ko nous, ñoom ñun continuer de communiquer mais ku sentir nécessité na ñëw les services du conseil pour nous donner des informations. information Nous ba nga xam opportunité donner dina xam pour euh, c'est une occasion de pour partager avec le ministère de la jeunesse sur les différents projets notamment le, le projet de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, mais aussi le PRODAC, notamment le DAC de Sangalkam, qui polarise toute la région de DAC. Oui, c'est important de, rappeler que c'était sur demande des, conseils de jeunesse, notamment euh, nos collègues euh, qui sont à Pékin, qui avaient formulé cette demande, et ils avaient senti la nécessité de faire ce tournée-là. Et nous lui avons donné quand même du contenu. Euh, c'était une opportunité pour nous jeunes qui doivent bénéficier de ces différents programmes et services, de pouvoir les connaître afin de, préparer les jeunes pour qu'ils puissent accéder dès, le démarrage à ces, à ces différents programmes. Particulièrement le programme de la jeunesse, Maison de la jeunesse et de la citoyenneté, qui est une opportunité parce que la question de la citoyenneté, la question du civisme est, aujourd'hui d'actualité, et particulièrement au niveau de la banlieue. C'est pourquoi il était important de pouvoir euh, s'enquérir du projet, des différentes opportunités qu'il offre à la jeunesse, mais également des différents services pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir, de, pouvoir disposer de ces informations. Et nous, particulièrement en tant que conseil de la jeunesse, de continuer cette divulgation d'informations pour permettre à des jeunes qui ne sont pas aujourd'hui là de, de, de, disposer de cette, de cette information. Parce que nous avons regroupé les leaders, notamment les conseils de jeunesse, mais également les leaders des organisations de jeunesse, pour qu'ils puissent, chacun, à ce qui lui concerne, au sein de sa structure, de véhiculer le message. La seconde, c'est euh, le PRODAC, le DAC de Dakar, qui est aujourd'hui l'élément principal, central, qui donne espoir à cette jeunesse de pouvoir disposer d'un emploi, d'un premier emploi, et, pouvoir, et, parfois même euh, pousser à ces jeunes-là, qui avaient d'autres formations, de pouvoir dès à présent se, muter pour s'adapter aux opportunités que leur offre cette date-là. Et c'est important parce que nous, au départ, on croyait que c'était tout simplement de l'agriculture. Et euh, la présentation nous a fait savoir qu'il y a plus d'opportunités qu'on le croyait. C'est des chaînes de valeur qui, qui démarrent dans l'exploitation, la commercialisation. Et surtout, il y a beaucoup, euh, autant de dispositifs qui gravitent autour, qui permettent, qui donnent opportunité à ces jeunes. Ce n'est pas tout simplement, il y a d'autres qui peuvent être demain, des, gens qui ont une formation de marketing, qui peuvent travailler dans le DAC. Des gens également qui ont fait des formations classiques peuvent travailler dans le DAC, mais également des gens qui ont des formations techniques également. le, plus marquant, c'est que c'est de l'agriculture moderne. Et le problème véritable aujourd'hui de l'emploi des jeunes, c'est la disponibilité des fonciers, du foncier. Partout à Guédiawaye, vous voyez sur les terrasses que les jeunes sont en train de, de, faire du volaille. Les jeunes sont en train d'élever des moutons. Les jeunes sont en train de faire énormément de choses. Et ce sera l'occasion de pouvoir donner sens à ces jeunes et également à d'autres qui n'avaient pas cette opportunité-là et qui n'avaient pas de moyens et qui avaient un problème de foncier, mais également d'être accompagnés par ces différents services du ministère pour pouvoir valoriser leur potentiel jeune. On est satisfait de la vision et on est satisfait de la démarche parce que c'est une démarche inclusive qui nous a impliqués parce que le ministère nous a impliqués dès l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme. Ils pouvaient attendre que euh, les travaux terminent pour nous informer. Mais quand, ils nous informent, à ce stade d'exécution du projet, ça nous rassure, parce que ça nous permet de, nous préparer et d'avoir les outils pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Parce que c'est une réalité qui nous qui, pas l'habitude de voir dans une localité comme la région de Dakar. Parce que Dakar, ce n'est pas une, une localité d'agriculture. De, de, C'est pourquoi il est important de pouvoir conscientiser ces jeunes, de les transformer pour une mutation afin d'adapter au, au, service du ministère. Oui, euh, il faudra préciser, la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, ça c'est le programme du ministère. Mais nous, en tant que euh, partenaires et euh, collaborateurs de la ville de Guédiawaye, la ville de Guédiawaye également a en perspective une maison des, associations. Et là, comme ce programme-là, tout comme le programme de la ville, tendant à, doter des jeunes des infrastructures adéquates. Donc la question qui se pose actuellement, c'est la question du foncier. Donc là, on demande solennellement le président de la République, dans le plus bref délai, de nous trouver les moyens pour qu'on puisse réaliser. Parce que nous, actuellement, le Conseil de la jeunesse n'a pas de siège. On est obligé de s'adapter dans des infrastructures qui ne sont pas la, la, mienne. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir disposer de ces maisons, de pouvoir disposer de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. On nous, on nous accompagne, on nous, on nous aide. Nous avons des subventions, mais nous, nous demandons plus parce que ce que nous recevons est, est vraiment insignifiant par rapport à nos préoccupations. Mais nous recevons de l'appui parce que nous avons pu relever le défi, parce que nous avons trouvé une subvention de 250 000. Aujourd'hui, on est à 1 500 000. Et nous continuons à faire le plaidoyer. Nous voulons aujourd'hui disposer d'un siège pour pouvoir nous réunir régulièrement, disposer d'un siège où le jeune peut à tout moment se permettre de venir et d'échanger avec le Conseil de la jeunesse, de pouvoir disposer de toutes les informations et services de l'État, parce que nous, on est encore corps constitué de l'État. Nous devons jouer l'interface entre l'État et les populations jeunes. Et donc, nous devons être en mesure d'avoir un cadre adéquat pour pouvoir jouer tout ce rôle-là. Vous que les jeunes peuvent se rapprocher du Conseil pour qu'on puisse continuer à sensibiliser et d'informer les jeunes sur les différentes opportunités que nous avons eu l'occasion de partager avec le ministère de la Jeunesse.